ay sinan ni o zagi yenne go chin se chit sir se chit sir se ni sinin fonde se kit se nige se kit se niga to bore go gir bat vere ne ya aini nyum so kitta hinno se ai ne ni se mun kwayo sam gadan vere ni tusu asina wodin ga dai na haya wodan vere ra iru bore hangen de bonmi i gay imam bu imam bu iri mi figi bore ka yongo ka ga dai ga non ai ba fosi ai onu ruban de ne ai si ba sani bobo mm. jimi mase kande é si sandi bo ba dumo fa to aí wallahi não ai sinan nan ai ne sinan eh ne o duma nan ganjino gunu soso bo man te ba fitinan te jina ha que sai mata ne ke musu be rose burul ai ne dipine tun abu ko no sa jura am musu bere kartun dai gaga ne mutun ko ce jin wari nigerian nigérien mes chers compatriotes surtout salafada nan Aïsina s'exprime. Terminaison E-N-T. Parce qu'il est Il noir. Nous vous souhaitons la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada. L'artiste s'exprime. En cette rubrique, mesdames et messieurs, vous vous rappelez certainement de ces deux comédiens. On les a reçus hier sur l'émission Franco Aoussa, présenté par la Miss Rim. Nous avons parlé du parcours en question du combattant. Vous vous rappelez certainement de Nan et de Aïsinan. Vous avez eu, bien évidemment, toutes les informations qu'il faut et tout ce qui se cache derrière Nan, Aïsinan. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler des épisodes, nous allons parler de la production, nous allons parler de la diffusion, nous allons parler des difficultés qu'il rencontre et tout ce qui va avec. Ladies and gentlemen, nous vous souhaitons la bienvenue sur l'émission Tous à la Fada. L'artiste s'exprime. Eh, Maintenant,

am go kin sinim fam na kan gidi ay wo oh. ay mayo mbo bandano oh. bai tun girib kare kare ai sati gomo ba hmm. jimi me hamne din penye ifo no kati penye misalo agi satu wodi ifo ti satu hamni hasa hamni ga barno bor ma satu manga hamno se kama satu sin adolf hitler Nyako fo ya no kai ah Fata, Fata, de degdi on dit. ka ok, koy koy koy hmm. Fata eh Fata fata. ka Fata. ka ka ay vous allez découvrir un certain nombre de choses man man nan ay sina nan ay sina ay nan ay ne sina ay Aïsina. sina so eh, izu voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc euh, avec euh, une dame qui m'a appelé, qui m'a sollicité sur cette émission. Je me rappelle très bien, il y a cela quoi, deux semaines. Elle s'occupe de quoi, je ne sais pas. Alors on va découvrir tout cela sur cette émission tout de suite et maintenant. Je suis aussi avec un monsieur. Ok, d'accord, je sais qu'il est dans la production en fond. Et lui, je le connais très bien. Oui, dit Mon ami, comment tu vas Je très bien. Sakina, c'est ton nom Oui. Sakina, ça va Tu vas très bien Oui, ça va. Très je te connais dedans. Ah je, te connais de nom. De nom. Et devant, je te connais aussi. Mais par derrière, je ne te connais pas. Alors, Sakina, tu vas en parler un tout petit peu de toi. Parce que c'est toi qui m'as contacté pour donc. Euh, euh, qui m'a mis en contact avec les artistes. Quel est ton rôle dans cette histoire, Sakina je me présente d'abord. Présente-toi, Sakina. Je suis mademoiselle Seydou Henke Sakina. Ah, c'est une demoiselle Oui. Ah, super alors <laughs> Euh, je suis étudiante à, la fac à l'université Abdou Moumouni de Niamey de la filière agriculture. Agriculture Oui. Eh, année demoiselle, non, mais quoi, hein, on sait. Oka, Oka, Guina. Ah ouais, mission, voilà, mais quoi, hein, on sait. <laughs> Tant, continuons sur l'émission. Ah eh oui, enfant. fa. Aime quoi Bon, en même temps, je suis chargée des affaires culturelles au niveau de l'agence euh, Prestacom, qui est une agence un euh, conseil euh, de communication spécialisé en production. Super. C'est dans la production qu'on va parler tout de suite et maintenant. Nous avons certainement suivi depuis un certain temps ces jeunes artistes comédiens nigériens sur les réseaux sociaux. Ça a été possible grâce à vous, parce que vous réalisez, vous diffusez. Comment se passe la production et comment se passe la diffusion vous êtes à combien d'épisodes C'est à toutes ces questions qu'on se pose sur cette émission pour permettre aux jeunes qui nous kiffent d'avoir une idée de ce qui se passe autour de Nan et Sinan. Voilà, la production, elle se passe très bien. Elle est bon, on a dit qu'on a déjà finalisé la saison 1. Mhm. Euh, depuis quelques semaines déjà, les épisodes sont en train d'être diffusés tous les vendredis et les samedis à 18h via les réseaux sociaux. Donc diffusion vendredi, samedi, 18h 18h. 18 pile. sur la page de... Les aventures de Na et Aïsina. Ok. Les aventures de Na et Aïsina sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, euh, sur euh, Instagram. C'est le même nom, Les Aventures de Naya et Sinan. Vous vous abonnez. Vous avez tous les épisodes à 18h pile, les vendredis et les samedis. Super. La saison 1 fait 22 épisodes. Voilà. Saison 1 fait 22 épisodes. vous êtes déjà à laquelle même saison On est à la, au dixième épisode actuellement. Dixième épisode. Donc c'est toujours la saison 1 non hein, qui continue. la saison 1 qui continue. Elle est qui a finalisé. Elle est déjà produite, elle est déjà bouclée. Ok. Mais là c'est la phase de diffusion qui est en cours où vraiment tous les, tous les vendredis et les samedis, comme je dis, le public euh, doit, doit découvrir de nouveaux épisodes. Super. Euh, nous, avons 10 épisodes déjà disponibles sur YouTube et mhm. sur euh, Facebook, mhm. sous-titrés en français. C'est en Zarma, mais sous titrés en français. Bientôt, un doublage prévu en français pour la diffusion à l'international. Ok, super. Qu'est-ce que vous visez à travers, non, les épisodes Qu'est-ce que vous voulez quel message vous voulez véhiculer, pourquoi c'est surtout euh, la promotion des œuvres artistiques nigériennes. Ok. C'est surtout faire euh, la promotion de tout ce qui est œuvres artistiques nigériennes à travers la série Nain Aïsina. Ok. C'est pourquoi nous sollicitons tous les Nigériens à soutenir la série, là, à aller sur la page Facebook et YouTube, à s'abonner à liker et puis à partager. Vraiment, nous avons besoin de, du soutien de tous les Nigériens, les Nigériens et les Nigériennes. Voilà. Merci. Est-ce Déjà. Parce que Et je veux recevoir mes amis. Nous allons boucler la boucle. Parce que la rubrique est consacrée à l'artiste aran o fase ayo uh, no ay singlam mun gam ay no ay gini ban kain fo lega uh, o kamar ko se em kasko gi saram bisay jine non ni gin gungun bisa ago emission ora ni gin kain ago emission ora donc euh, nanga sina ah si collègue am ay eh, fon ko il faut sen ngama na sina sima na ay ni eh, sima ah. no fulu gonjor me fono bo ah boro sigi dia gajere nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Irto émission bananta. Ine di chabuyonto sukutuka de aban. Ifono arango sola. Aran wan euh, fane kanyango ga irgone er hinkona. Telara kayango ga hanganir se. Radiera ifono arango ga sola ise. Ay furka une fois même moi. kakan tuwa ni una ai mai num bora adu na masa an mi na masa maka bora kul kayen gogir wona episode de gonono asin bor kangane irse hayewo imanti kinno sono kulno go ma ikani to aseno irmo irgonda amur irgba irmte ise saison de am lala gibis ba hankan ide sono saison en wara and ga son misali ga aram basinti noya saison sanga ja aram basinti zerm sangin aram basinti noya sam sun kun aram go gusofe sonkulno irga bagi sintin gazo gok ben samaro bi ko gok bak ben <laughs> eh no wai fono na gici borai sai kayan gogir ne. an fana ni abin da zan gaya musu yanzu an ka ce kidin ta hwara mm. ka san kalangu an ka doka ta an ka ne dai irgon da kalangu shi jo yanzu nan yanzu kidin za ta hwara tunda yanzu zan mu hwara abubuwan ma wanda gaba mu tunda yanzu in Allah da kwancin kuna fara gani akwai abubuwa abubuwa na ba da dare da zan ba mutane wanda su su ji ta Jimmy kalbar ne muke da Jimmy ayo mono go fata ai suwana eh hankan wannan to son irto mi son irga ba aranga sanni kokoranta pour que borkul kanga hin garanga ama kande aranse inga kambe kokaro irgo nise garkasanta après irmiye lakar kono do bani komo do aisinan ba ni abin da zan cira ma mu yan kasan mu na Niger mm. ya kamata <clears throat> Jimmy ya kamata a taimaka wajen harkan sponsoring wanda ya samu samu ma abun ya girma hayan mu ta international duk duniya su gane mu to in babu kamawa ba zai yi wa ba ka san komai da mutum ka kai duniya ya kamata in dai an ka kama maka mu duka dan kasar nan Niger dadin mu ne yau a ce garin mu Niger har wata rana ma a ce a ji mu fespa ko international <clears throat> jimmy to shi ne muna ga nemo ne sponsor tun muna so akwai tilan da ya kamata a tayi dufi zai in produce mu shi ma te mun biya mm. akwai abubuwan da studio akwai komi da komi kai dai ayyuka da yawa ya kamata to mu muna yi gani ya ne za mu yi mu yi accompanyant ku in a a muna yi gani mu kama muku ya ka za mu gani ya ne za mu yi mu muku ba dai zancen ba wai har zake hannu ka kama ne ka sake ni fa ka sake ni fa ka sake ni wannan hannu nan nawa sunan shi ka san sunan shi cincin ma nan shi nan ne hmm. eh nan hmm? sani fono no ba wallahi ma de boro asano sanno kanga ese kate bore ka inde gogo kata presta ko mu irma ikani gumgumo woni walla dubor fongon kangi ngai fontana samo ifoni gingi tianas dubor foyan gon kayangi hingi dir se mo zam irga bay so an kulmi irbay zam niger wo sen siya an dunya ram bono boryo no girce labu an gine wala ara haran dai te aram yego tontongiga to irga ba boryan kaye yegi di irse sponsorisation imirga gasenai zam presta ko mchina irwo irsintin ko mediga kaso irmanti ichina idi irse idi hay kulte irse hay irsin gidi ba ichino no ta sanu karante aman jang tong me sakina ni nan sala eh ah wali ali irto emission o me ladies and gentlemen aisena hmm. aisena ini hmm, hey je vous donne rendez-vous très très prochainement c'était nan Aïsina c'était ça Sakina c'était Wali c'était la machine sur tous à la machine talkit hey